forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse du studio Kalangou consacré au décryptage de l'actualité de la semaine par nos confrères des médias de la place. La semaine a été marquée par la fermeture lundi à Niamey par le fisc euh, du siège de trois périodiques, à savoir le courrier, Le Monde d'aujourd'hui et Le Canard en furie pour non-paiement d'impôts. Le lundi, toujours, un prêtre italien a été enlevé à son domicile de Bamwanga dans la préfecture de Makolondi. Autre mauvaise nouvelle, le rapport 2018 sur l'indice de développement humain IDH du programme des Nations Unies pour le développement PNUD classe encore cette année le Niger 189e sur 189 pays dans le monde. En football, nous reviendrons sur le tournoi de l'UFOA des moins de 17 ans tenu à Niamey la semaine dernière et le feuilleton des joueurs de l'équipe senior apparemment toujours fâché. Pour analyser cette actualité, j'ai le, plaisir de recevoir Gary Amadou du quotidien La Nation. Gare Amadou, bonsoir. Bonsoir. Issa journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Et Roufaï Dandoua, journaliste sportif. Roufaï Dandoua, bonsoir. Bonsoir docteur Au microphone, votre serviteur Mokhtar Hamadou. Comme annoncé, parlons d'abord de la fermeture lundi à Niamey par les impôts du bureau abritant les courriers, le monde d'aujourd'hui et le canard en furie. Trois périodiques. Appuyés par les éléments de la police, le fisc a emporté le matériel de travail dans les tables de bureau, laissant derrière l'autocollant fermé pour non-paiement d'impôts. Ali Soumana, promoteur du journal Les Courriers, explique les conditions dans lesquelles la fermeture a eu lieu au micro de notre reporter et stagiaire Sokbabi, Olivier le service des impôts avec des policiers sont venus ramasser nos matériels sans nous avertir et pas devant un huissier. Ils ont pris tous nos matériels. Nous sommes euh, avec d'autres journaux, notamment le Canard en furie et le Monde d'aujourd'hui. Ils ont pris les matériel des deux journaux, à notre grande surprise. À ce que nous sachions, quand il y aura perquisition ou saisie de matériel, c'est devant les propriétaires des matériels qu'il faut saisir. Donc ceci a été fait à votre absence Ceci a été fait à notre absence, sans ah, aucun document, selon eux. Ils ont fait un redressement, selon un fiscal, d'environ 10 millions de francs CFA. Pour, euh, les pour, le responsable des services euh, commerciaux du monde d'aujourd'hui et du canard en furie, ces deux titres ont été victimes de fermetures abusives. L'un a au moins un an d'existence pour, et pour l'autre un échéancier par entente avec le fisc est en cours d'exécution. Finalement, mercredi, les agents du fisc ont enlevé les scellés et restitué les outils de travail. Ali Soumana, promoteur du journal Les Courriers, a déclaré au micro de Habibou Garba avoir versé mardi 1 million de francs CFA et pris l'engagement sur six mois de solder les 10 millions exigés. Gary Amadou, comment analysez-vous euh, cette affaire oui, mais ce que j'analyse, c'est que euh, les impôts, c'est vraiment, euh, il est le devoir de tout entrepreneur de payer ses impôts. C'est-à-dire que c'est la moindre des choses. De la même façon qu'on peut exiger du petit boutiquier du coin de payer ses impôts. S'il ne paye pas ses impôts, on peut venir le fermer. De cette même façon, celui qui a une entreprise, fut-elle de presse, entreprise quand même. entreprise la, une boutique euh, n'est pas euh, comparée avec un organe de oui, presse. C'est ce que je veux dire. Non, c'est pas évident que le citoyen, la population, euh, comment on appelle ça C'est parce que nous, nous sommes journalistes que nous pensons que c'est. Mais le citoyen lambda, il peut trouver la boutique plus importante que le journal. Mais bah oui, pourquoi pas parce que c'est là-bas qu'il achète ses condiments. Il peut trouver ça plus important. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que d'une manière globale, tout citoyen doit payer ses impôts. Et quand tu n'as pas les moyens de payer tes impôts, tu pars, tu négocies avec le service des impôts. C'est ce que plusieurs organes de presse ont fait. Ça ne sert à rien de s'entêter. Vous comprenez Parce que le service des impôts n'appartient pas à un régime, ça appartient à l'État. Et l'État continue. L'État existait depuis les, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. L'État continue. Et donc, si tu sais que tu as, ça ne sert à rien de s'entêter, et pire, ça ne sert à rien de s'attaquer au service des impôts à travers des articles insultants, tu attaques le DG, tu insultes ceci, Alors que tu sais que tu as des failles toi-même. Tu sais que tu as des. C'est pas un travail de journaliste, ça Non, c'est pas un travail de journaliste, parce que c'est pas fondé. D'abord, ce sont des attaques gratuites après vérification. Ce sont des attaques gratuites, tout simplement, qui sont dues au fait que, tout simplement, le service des impôts exige son argent. Mais des organes qui sont dans les mêmes conditions ont négocié. La barre a négocié, Bonferré a négocié, d'autres ont négocié. Et il y a eu des échéanciers. Parce que le principe des impôts, le service des impôts, c'est quoi que qu'ils ne sont pas catégoriques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu viens vers eux et que tu négocies. Tu dis, bon, voilà, je n'ai pas tout l'argent, j'ai ça. Ils donnent, d'accord, tu as 10 000, bon, et les, 100 000, tu vas, comment tu vas faire Tu vas dire, bon, moi, vraiment, je peux faire ça en, en 10 mois. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, on écrit un papier, tu as donné 10 000, il reste 90 000. C'est comme ça que ça marche, je sais Mais quand tu t'entêtes, tu penses que toi, on ne peut pas, tu ne peux pas payer des impôts parce que tu es un organe de presse. Quand tu penses que toi, parce que tu es un journal poste de l'opposition, tu peux utiliser cette posture-là pour faire le martyr. Dès qu'on va te demander des comptes, eh bien, ça ne marchera pas. Et c'est ce qui s'est passé parce que je suis heureux parce qu'après, il a fait un Ce, qui est, ce qui est déplorable, euh, Garé, selon Alice Mana, euh, c'est euh, ce, ce, que, que ces agents des impôts étaient venus avec la police sans, à, à, leur absence, à leur absence d'abord, et sans huissier. Oui, mais les agents de force de l'ordre sont là pour constater, en même temps, ils consignent ce qui est pris. Les conditions peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas un juriste, je ne sais pas comment est-ce que euh, ça doit se faire dans, pareilles circonstances. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, comme il l'a dit à Soumana, il a tenu des propos assez conciliants. Parce que ce qu'il ne dit pas aux gens, c'est que le service des impôts a porté plainte. Le service des impôts a porté plainte. Et c'est pour ça qu'il s'est précipité pour partir payer un million et faire une sortie médiatique à travers, à travers laquelle il encense euh, le, comportement du bon citoyen qui doit payer ses impôts, blablabla, bla, bla, bla, Mais soit, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il devait faire depuis longtemps. Quand tu sais que tu es en position de faiblesse, négocie. Issa Madougou, quelle est votre lecture de la saisie du matériel de travail par l'autorité qui n'a pas cherché à comprendre qui de ces trois titres est ou pas en règle Merci docteur. Moi, je pense que euh, la fermeture des médias ou l'arrêt des activités des médias, quel euh, quels que soit les motifs, euh, pose beaucoup d'interrogations parce que nous nous trouvons dans un cause de pluralité d'opinion. Donc, dès que ça, on assiste à ce genre de situation, la question que les gens se posent, ce n'est pas seulement le problème qui existait que les gens vont regarder. Mais tout de même, n'étant pas dans le secret de comment l'affaire s'est déroulée depuis la première fois qu'ils ont fait introduire leur lettre pour notification de paiement des impôts, ne sais pas ce qui a été, mais le fait que je trouve la manière par laquelle euh, euh, euh, le service des impôts a procédé, pour se faire justice, si on peut le dire, c'est ce qui est déplorable. Parce que vous savez, nous sommes dans un état de droit, dans un pays de droit. L'intrusion même chez quelqu'un, aujourd'hui, est assujettie à des préalables. Il faut un document qui vous atteste, qui vous donne l'autorisation de rentrer dans le domicile privé. Vous parlez du mandat. Du mandat. Et vous ne pouvez pas vous introduire aujourd'hui. Par exemple, les gens qui se sont introduits, si euh, les gens étaient de mauvaise foi, ils allaient leur accuser de tout pour dire qu'ils avaient laissé de l'argent. Donc c'est pour cela qu'on prend des précautions. Eux-mêmes, je crois bien que... Euh, pour venir avec un huissier. Oui, pour venir, pour faire le constat. C'est parce qu'eux-mêmes, ils s'étaient un peu de zèle, ces agents. Parce que ça, c'est être idiot. Même si vous êtes dans l'exercice de, vos fonctions, il faut faire extrêmement attention. La chose, le, même si vous, êtes dans le droit d'y faire, il faut faire extrêmement attention parce que ça pourrait se retourner contre vous. Il suffit que la personne porte plainte, ça va, même si ça n'aboutit pas. Le fait de faire des allers-retours au palais de justice, ça aussi c'est un problème. Ça démoralise parce que quand on dit justice, c'est le jour que vous allez commencer les tractations que vous connaissez. Mais le reste, vous ne le connaissez pas. De toutes les façons, aujourd'hui, moi, j'estime je, euh, que la façon resterai euh, loin de moi euh, de, faire la, pro, euh, la promotion de, de, de, de Non, les gens doivent payer. Du moment où vous avez quelque chose, une entité ou bien une activité qui génère des bénéfices, vous devrez vous acquitter de vos obligations fiscales. Ça, c'est évident. Mais quand même, il faudrait revoir la manière parce que même au départ où il y a eu cette vague de fermeture, ce que nous avons eu à dénoncer, c'est la manière. Il devrait avoir vraiment une manière vraiment très sophistiquée et très souple pour les deux parties afin de, de revenir. Parce qu'aujourd'hui, quand on ferme les médias, rappelez-vous quand au début, quand l'opération avait commencé, quand on a commencé à fermer les médias, l'extérieur avait vu pas non seulement les impôts, mais c'est comme si une entorse à la démocratie. On vu aujourd'hui la restriction des libertés. Donc c'est pour cela que parfois, avant de, de, de, de vraiment déposer des actes, il faut bien réfléchir. Mais quand même, s'ils sont arrivés à un, euh, compromis. moi je pense que la situation est, gérable. Rufai Dandoua, comment situer les responsabilités entre les responsables des journaux et le fisc Merci beaucoup. il est clair que dans cette situation, on sent un, règlement de compte quelque part euh, de la part des services de impôts. Il fallait montrer à Ali que qu'ils peuvent euh, l'arrêter de travailler parce que le train de casserole. Donc après tous les articles dont Garé avait évoqué, il fallait lui montrer que nous aussi on a euh, quelque part un pouvoir et on peut euh, user de ce pouvoir pour lui montrer qu'il n'est pas ce, ce qu'il croit l'être. Le problème c'est que à cette à cette ère dans laquelle nous vivons avec les réseaux sociaux, tout va vite tout va vite, de sorte que les aujourd'hui, les gens n'attendent que ces petites choses pour en faire tout et, Vous avez vu comment ça a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. Partout, on a. Euh, le monde est devenu comme un petit village, quoi, avec euh, l'avènement des réseaux sociaux. La mondialisation, le village planétaire. en, réalité, peut-être que c'était c'était ça, euh, le but voulu par. les, responsables aussi du, du courrier, parce que qu'ils savaient s'il était parti payer un million, sachant qu'il avait déjà 10 millions, pourquoi ne l'avait pas fait bien avant hein? Il le savait pertinemment. Et il y avait eu des sommations, comme euh, pour les autres euh, journaux, pour les autres euh, organes de presse audiovisuels aussi. Il était dans, la même situation. Pourquoi ne l'avait pas fait et le problème, c'est que ça, euh, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça fait mauvaise presse au, régime. On ne, on ne verra pas le, le, le problème qu'il a avec euh, les impôts. On va dire que non, c'est le régime parce que c'est un journal de l'opposition et il fallait le fermer. Peut-être qu'il dérangeait, il fallait l'arrêter. Mais moi, je pense qu'il y a une question de, de bon sens. Et tu sais pertinemment que tu as des problèmes, les autres ont fait. Et la barrière qui était restée peut-être le plus longtemps eh, fermée était aussi partie négocier. Là aussi, si vous savez que vous pouviez négocier un eh, moment, pourquoi ne pas le faire et bien avant Il ne faut pas aussi jouer et, eh, au martyr quelque part. Mais, mais, je dis, mais, on aurait pu éviter tout cela entre les organes de presse, les services des impôts et quoi qu'on dise, et, l'État dans, dans, son ensemble pour ne pas en arriver à ce stade jusqu'à fermer des organes de presse parce que comme je le disais ça fait mauvaise presse et ça peut aussi être euh, utilisé dans le classement de Reporters sans frontières pour dire que quelque part la liberté de presse est menacée, quelque part il y a des opposants et qui sont arrêtés, quelque part il y a des acteurs de la société civile qui sont arrêtés et aujourd'hui on arrive à la presse et on dit que euh, quelque part, puisqu'il y avait eu le rapport qui a été fait entre, par exemple, Dounia qui avait eu un, euh, un, délai euh, très large contrairement aux autres. Donc, vous voyez, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a des interprétations qui sont faites et on fait un rapport pour dire que non, c'est le régime qui ne veut pas laisser les gens. Et parler comme ils veulent. Gare Je suis d'accord avec ce que tous mes deux, mes deux amis ont dit. C'est-à-dire que c'est sûr que la fermeture d'un organe de presse c'est toujours mauvais pour l'image à l'extérieur parce que bon, les gens effectivement ne, ne, euh, ne, cherchent pas ça pour, forcément à savoir les vraies raisons. Pour eux, l'image de la fermeture d'un organe de presse, au vu du rôle que les médias jouent, est extrêmement important. Mais vous voyez ce qui s'est passé, c'est que d'abord, ça veut dire qu'il y avait l'argent pour payer. Non, non, au lieu de payer, qu'est-ce qu'on fait On change le courrier, on met les courriers. C'est comme si moi, canard déchaîné, n'est-ce pas J'ai le canard déchaîné et puis je dois payer des impôts. Et puis parce qu'on m'a fait une, une sommation, qu'est-ce que je fais Non, non, je mets les canards déchaînés avec S. Bon, c'est trop facile, mais, mais je trouve que c'est quand même déloyal. Je pense vraiment. Non, non, pas le Mais, mais je trouve ça. oui, je sais, oui, opinion avec. Parce que quand le, quand le avait fermé. Rapidement, rapidement, rapidement, Oui, je trouve, ça, je trouve ça assez malhonnête. Je pense que euh, il faut que chacun joue son rôle. Le service de Biompo joue son rôle. Les entreprises qui sont assujetties au paiement des impôts, qu'ils payent les impôts. Un point. Sur ah, tout Non, j'ai un échéancier. <laughs> Non, j'ai un échéancier, c'est vrai. Fin septembre, tu dois payer une partie. Et ensuite, fin euh, octobre, je paye une partie. C'est clair. Sur tout un autre plan, <laughs> un missionnaire italien, Pierre Luigi Macali, a été enlevé à son domicile de Bamwanga lundi soir par des hommes armés à moto. À ce jour, pas, encore de revendication. Rufai Dandoua, après l'américain à Abalak, l'allemand à Inates, un missionnaire italien enlevé dans la commune de Makolondi euh, comment analysez-vous euh, ces enlèvements d'étrangers sur le sol euh, nigérien c'est simple, ça rapporte beaucoup de des choses. Déjà en termes de, notoriété des, ravisseurs, et on leur fait une publicité gratuite. En plus, peut-être qu'on va payer quelque chose, puisque et je ne suis pas d'accord même quand on dit que les Américains ne négocient pas ou ne payent pas. C'est faux, tout le monde paye quelque chose. Même les Américains, en fin de compte, ils donnent quelque chose. Mais quoi qu'on dise, les, les, les Européens peut-être euh, négocient plus que les Américains. Mais moi, je, ne suis pas d'accord avec ces gens. Vous savez bien que la zone est en insécurité et toi, un missionnaire, tu pars dans la zone, tu t'installes définitivement, tu restes là-bas, sachant qu'à tout moment quelque chose peut arriver. Ce sont des zones et dangereuse, si on peut, on peut le dire, parce qu'il y avait eu des attaques. Rappelons que le missionnaire n'est pas un étranger, euh, il a fait plus de 9 ans ici au Niger. Ah, c'est un étranger, c'est un, un, étranger, puisque vous avez dit un, Italien, on n'a pas, on pas pris un Nigérien. Vous voyez, c'est pour vous dire, quoi. Et, la peau, la peau aussi est là pour, pour démontrer que ce n'est pas un Nigérien et il, il, il, va ramener de l'argent. Moi, je pense que tout cela, eh, les gens doivent comprendre entre Makolondi et, et Niamey, je ne pense pas que ça soit euh, tellement éloigné qu'il ne puisse pas venir rester à Niamey. Quand il a ses affaires, il part, et revient. Mais de là à aller s'installer dans des endroits où quelque part, on vous fait comprendre qu'il y a des risques de, rester. C'est faire mauvaise publicité au, Niger pour dire chaque fois que le Niger, c'est un pays eh, dangereux. Il ne faut pas eh, aller eh, dans tel ou tel endroit parce qu'on va vous arrêter, parce qu'il y aura des, des, des rafts. Moi, je pense que quelque part, ces gens doivent se dire, ou les autorités doivent à chaque fois attirer l'attention de ces personnes. Missionnaires puissent-ils être de ne pas et créer des problèmes et à eux, à leur famille et aussi à l'État du Niger parce que ça, ça, fait mauvaise presse au Niger et, on nous taxe de, de, tous les mots. On dit non, il ne faut pas aller dans tel endroit. Le Niger est un endroit dangereux. Moi, je pense que quelque part, il, faut être euh, prudent et, et, et eux et aussi et tous ceux qui les envoient dans ce genre de mission. Issa des consignes de sécurité sont pourtant données par certaines chancelleries occidentales à leurs ressortissants. Selon vous, pourquoi certains s'exposent en restant dans ces zones à risque, comme l'a rappelé euh, Rufai Dandoua Écoutez, vous savez, les personnes qui évoluent le plus dans l'humanitaire et c'est pas facile de les raisonner. Voyez-vous, c'est comme le cas de la française qui a été enlevée il y a euh, quelques années depuis Agao, qui était la seule, pratiquement la seule expatriée. Les Français ont tout fait pour la faire quitter mais elle l'a vérifié parce qu'elle dit que la mission qu'elle est en train de remplir, elle ne peut pas abandonner. Ses enfants, elle peut pas C'est comme ça, euh, ce prêtre qui était là-bas. Il, était, il s'est moulé dans la foule de telle sorte qu'il était devenu un membre de la communauté qui intervient au quotidien aux côtés de ces populations pour vraiment survivre et avoir une qualité de vie dans l'éducation, au-delà, dans la santé. C'est voilà, c'est l'intégration. Mais quand même, euh, euh, nous savons tous que le business des otages est moins de financement du terrorisme et de la criminalité. Nous, nous savons également que cette zone frontalière du Liptako-Gourma est une zone très dangereuse à l'image de la zone de Boko Haram et la zone Nord-Walam où aussi sévit des groupes terroristes. Donc euh, il fallait attendre à ça, mais qu'ils puissent rester jusqu'à ce temps où il a été enlevé qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient l'information, parce que l'information même a été relayée par l'Église catholique. Donc, ce qui veut dire que même les autorités parfois ne savent pas qui est sur le territoire nigérien, qui se réside où, c'est ça le, problème. Non, ce n'est pas que les, autorités le savoir. Parce le, non, non, non, vous aurez la parole après. vous aurez la parole après. Le monsieur a fait 9 ans, on sait qu'il est là. Oui, mais quand même, on devrait prendre des dispositions pour cela. Mais ce qui m'a tiqué dans cette affaire, juste après son enlèvement, il y a ce poste de la diplomate italienne qui faisait cas de l'autorisation, enfin, après huit mois que l'Assemblée italienne ait voté euh, l'arrivée des troupes italiennes qui fait un poste pour dire que finalement, ils ont pu trouver ah euh, un accord, un, terrain d'entente avec le Niger. Vous vous souvenez de, de, l'attaque de Toulouse en 2012, qui a été suivie par le débarquement français C'est ainsi que je l'appelle, le débarquement français au Niger. Voyez-vous, il y a beaucoup d'interrogations. Que... Vous, vous, pensez qu'il y a un lien entre l'enlèvement et Il faut, il faut faire extrêmement attention quand nous jouons un faux jeu avec ces Occidentaux. Ils sont venus dire que c'est l'immigration, le terrorisme. Nous, on ne vivait pas, le, connaît pas le terrorisme, on ne le vit pas. C'est eux qui nous ont poussé vers le terrorisme, qui ont poussé ce terrorisme. Donc voilà cette situation, ça devrait nous interpeller. Et c'est pour cela il est du devoir du gouvernement nigérien à sortir pour éclairer la lanterne des citoyens nigériens par rapport à tous ces sept. C'est vrai, aujourd'hui, nous souhaitons que ce prêtre puisse recouvrir sa liberté, soit de vaquer à ses populations, parce qu'il est très important pour cette communauté, soit de revenir à Gambé, mais tout de même, notre souhait, c'est qu'il soit retrouvé sain et sauf et qu'il retrouve sa famille. Gary Amadou, les ravisseurs de ce prêtre italien seraient partis vers le Burkina Faso. Et on sait que cette région est du Burkina et en proie à des attaques de bandits et de terroristes qui tuent, y compris les forces du pays. Pensez-vous que le danger est ici à cause de cette proximité Oui, mais euh, euh, vous savez, euh, moi je, me suis posé, mais que, fait un citoyen occidental dans une zone où se vit un terrorisme C'est un Islamiste. Non, mais attends, je vais être plus clair. Que fait un blanc non, mais il faut dire les choses. C'est déjà clair quand tu dis. Mais non, mais, euh, non parce que quand je dis un occidental, non, non, il peut être un missionnaire noir. Il y, a, des noirs en Occident. Mais que fait un blanc dans une zone d'insécurité où le terrorisme islamiste sévit C'est la question que tout le monde se pose. Mais, malgré les mises en garde des, chanceliers occidentaux qui disent attention, la zone des trois frontières, là où les zones, la zone partagée par le Burkina, le Mali et le Niger est une zone extrêmement dangereuse. Comment se fait-il que les gens sont têtus et continuent à aller risquer leur vie. Quel est le but Mais c'est pas, pas aujourd'hui qu'il vivait là-bas. Non, ce n'est pas aujourd'hui, mais, mais vous êtes sûr que c'est vraiment un prêtre mais, oh, l'église non, non, non, les, gens à, l'église catholique on, le connaît non attends s'il te plaît attends il est temps qu'on commence à s'interroger je suis d'accord avec ce qu'il s'est dit parce que je trouve troublant que des occidentaux s'entêtent à aller dans, des zones uniquement pour se faire enlever parce que pour moi non, pour moi, ils sont partis pour ça. Hein. Non, mais attends, quand ils restent, malgré la menace, quelque part, c'est une invitation. Venez me prendre. Mais comment pouvez-vous comprendre qu'ils soient restés là-bas alors qu'il y a des attaques, alors qu'il y a des marabouts qui sont tués, alors qu'il y a des préfets qui sont enlevés, etc. etc. Euh, à, là-bas, il, y, a, des gens nigériens qui ont été tués. Mais comment euh, vous pouvez-vous comprendre que sous prétexte que lui, c'est un religieux, il reste là-bas alors qu'il sait très bien que le blanc, ça coûte cher les terroristes on doit rapidement. Dans ce cas, on peut faire le lien euh, avec ce que Issa a dit. rapidement, quand, la chancellerie italienne sort pour dire que non, il y a 450 euh, euh, soldats maliens qui vont venir. Italien, italien. italien, sachant pertinemment que l'Italie, ce n'est pas aussi un foudre de guerre dans, dans, le monde. Ça vrai que il les, mêmes, les mêmes causes produisent les mêmes, les, mêmes, les mêmes effets, comme on dit. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on fasse comme. Non, il est temps qu'on fasse comme au Burkina Faso, où récemment, on a euh, interpellé le Premier ministre euh, burkinabé au Parlement pour venir s'expliquer sur les attaques et les, morts qu'il y a eu du côté de, Burkina Faso. Et maintenant, essayer de situer les responsabilités et, prendre des mesures. Que faire, oui. Le sujet qui domine surtout l'actualité nigérienne en ce moment, c'est euh, ce dernier classement mondial en matière de développement humain. Le Niger est encore dernier. Le rapport indique qu'à la naissance, un enfant nigérien a une espérance de vie inférieure à près de 22 ans et peut en moins espérer fréquenter les bancs d'une école pendant deux ans. Ses parents, quant à eux, vivent avec moins de 1000 dollars, soit environ 500 euh, 000 francs CFA par an. Ce nouveau classement du Niger signifie une dégradation des conditions de vie dans le pays selon le rapport. Gary Amadou, Pourtant, au plus haut sommet de l'État, dans les discours, il est régulièrement dit que des gros investissements sont faits dans le, dans le secteur de l'éducation, de la santé et dans plusieurs autres domaines. Finalement, le gouvernement a mal investi ou c'est le PNUD qui a mal, qui a mal calculé Bon, on euh, ne peut pas tout le temps. Vous savez, moi, je ne suis pas du genre, euh, euh, dès qu'il y a un classement qui est fait, qui met le Niger dans une position difficile, je veux vouloir vilipender l'institution. Non, non. Moi, je respecte ces institutions-là. Je les respecte toujours. Et c'est pourquoi, quand il y a des institutions qui disent que le Niger est bien placé partout, je suis très content par patriotisme. Donc, je respecte ce que le PNUD a fait. ça a toujours été expliqué. L'éducation est ce qui tire le Niger par le bas, dans le cas de l'IDH. Le DG de l'Union a fait, a fait un atelier, un café statique où il a expliqué que, en réalité, ce qui plombe euh, le, le, classement du Niger, c'est l'éducation. Pourquoi Parce que, d'abord, la jeune fille qui va à l'école, euh, euh, elle, a, elle, a, peu de chances de finir sa scolarité. En tout cas, pas beaucoup de chances par rapport aux garçons. Et même pour les garçons, ça veut dire que le taux de déperdition scolaire est très grand. Ce qui fait que et, c'est un critère qui est extrêmement important au niveau du calcul de l'IDH. Donc, je pense que quand il y a un classement qui classe le Niger en, dernière position, il faut qu'on essaie d'analyser pour dire, bon, quel est le, volet vraiment qui traîne. Parce que sur le plan, par exemple, de l'espérance de vie, il a été prouvé que le Niger a fait un bond en avant, 62 ans. Je me rappelle de, du précédent classement, 62 ans. Et qui est devant beaucoup de pays de la sous-région. 62 ans. Et donc, et il y a des efforts qui ont été faits, c'est indéniable n'est-ce pas Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie, dans le cadre d'investissement de, dans le domaine de la santé. Mais il y a ce problème de la démographie au Niger parce que tous les régimes qui sont succédés et les institutions internationales ont prévenu, ils ont dit, quel que soit ce que vous investissez, tant que vous ne limitez pas votre démographie, je vous assure que vous allez investir, mais ce que vous avez investi pour 10 personnes, vous allez vous rendre compte, en deux ans, c'est pas pour 10 personnes, c'est 20 personnes que ça passe. Parce que on a le taux de natalité le plus grand. En Afrique, on dit en Afrique, hein, on, dans le monde même parfois on dit que le Niger a le taux de natalité. Comment pouvez-vous comprendre ça Un pays pauvre qui a des ressources qui sont. Oui, donc. Voilà. que c'était une erreur. Voilà. Donc maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut vraiment trouver des solutions. Si on veut vraiment faire quelque chose. Solution comment Solution en investissant dans l'éducation. Vous voulez dire Non, c'est pas en investissant dans l'éducation. C'est-à-dire que l'investissement. Tant que euh, les, naissances ne sont pas bien gérées, ça risque d'être problématique. C'est comme si je vous dis, vous avez prévu 100 francs pour 5 enfants. Il y a l'accès à l'eau, il y a euh, la diminution du taux de mortalité infantile. Mais la démographie augmente les besoins. C'est ça le problème. C'est-à-dire que plus vous augmentez la population, plus les besoins augmentent. Vous, vous avez prévu 100 francs. Et plus sur la consommation aussi. Mais c'est ça que j'ai dit. Plus vous, vous, avez prévu 100 francs pour 10 personnes. Mais ces 100 francs-là, vous vous rendez compte que non, ce n'est pas 10 personnes qui vont en profiter, c'est 20. À cause du chemin de la démographie galopante. Et donc, ce qu'il vous faut, c'est gérer cette démographie-là. Plus vous gérez cette démographie-là, bien sûr, les conséquences sont graves, parce que la population aussi va vieillir petit à petit. Et aussi, il ne faut pas oublier le détail aussi, qui est important comme ils l'ont dit, plus on est nombreux, plus on consomme, plus l'économie se vivifie. Mais vraiment, là, il est question d'investissement. Je pense que la démographie et l'éducation, ce sont les deux volets sur lesquels il faudra plancher. Madougou, le PNUD est présent au Niger où il a appuie dans différents domaines, y compris dans le processus de toutes les élections nigériennes. Malgré l'étroite collaboration existante entre, avec l'État, comment se fait que le gouvernement n'arrive pas, depuis des décennies, à améliorer les indicateurs recommandés par le PNUD échangé durant Mais écoutez, <clears throat> D'abord, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce classement, on voit que le Niger a une note de 0,354 euh, qui le classe euh, en, dernière position, 189 sur 189. Quand je vois certains Nigériens s'insurger contre le PNUD, je me dis, mais attendez, est-ce qu'ils savent c'est quoi le PNUD Quel intérêt le PNUD a pour mentir sur les chiffres du Niger Quel intérêt le PNUD a Ce n'est pas le PNUD qui a pu le Niger dans le cadre en 2011 avec Papen projet d'appui au processus électoral. passé en 2016, projet d'appui au cycle électoral au Niger. Si le PNUD ne veut pas aider le Niger à franchir ce cap de développement, est-ce que le PNUD va s'investir de cette manière Non. Quand il y a un classement. Donc, selon vous, c'est un bon signal pour que euh, euh, les autorités redoublent d'efforts euh, dans ces domaines-là. Quand il y a ce genre de classement où nous sommes classés dans une position humiliante, ce n'est pas le lieu d'expliquer notre échec. Parce que quand je vois la dernière fois, je ne vois pas l'intérêt de la sortie de la ministre du Plan sur le plateau de Télé Télé-Salle pour expliquer. Elle va expliquer quoi Qu'est-ce qu'elle a à expliquer Aujourd'hui, cette défaite, si je peux la qualifier ainsi, est collective. D'une part, de la part des gouvernants qui n'arrivent pas à faire des politiques, à mettre en œuvre, à penser des politiques qui vont et à faire adhérer les Nigériens et aussi les Nigériens, d'une part, qui ne répondent pas de leurs obligations. Parce que dans un État, ce n'est pas seulement des droits que vous avez, vous avez aussi des devoirs. Donc l'État a failli sur trois plans. Le, taux de euh, l'espérance de vie, l'éducation et la répartition des richesses. Parce que le PIB au Nigeria ah est très très faible. Parce que pour qu'est-ce qui fait ça Pourquoi aujourd'hui, depuis 2011, c'est ce que les jeunes Nigériens sont en train de C'est le taux. Selon, le, rapport, les parents, euh, les Nigériens euh, vivent avec moins de 1000 dollars par an. Mais il y a une mauvaise répartition des richesses. Il y a une mauvaise répartition des richesses. Et qu'est-ce qui fait ça C'est la corruption, le détournement des deniers publics. Quand des Nigériens, par du fait qu'ils ont aujourd'hui cette. Euh, la mauvaise gouvernance La mauvaise gouvernance. Il faut qu'aujourd'hui, les Nigériens, le gouvernement s'arrête pour dire OK, nous avons commis des erreurs qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'année prochaine nous puissions surmonter cette problématique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pas venir chaque fois faire en sorte pour expliquer le bon dernier place. Non, non, non, non, non. Le, bon dernier là, ça ne nous honore pas. Aujourd'hui, en combien d'années le Niger est toujours dernier Et les gens pensent que le plus d'entendre se tromper, le plus ne se trompe pas, le plus prend nos chiffres et font les euh, contre-enquêtes pour voir la réalité des choses. Si nous ne faisons pas des efforts, il faut que nous nous arrêtons pour dire, OK, nous avons failli, voilà ce qu'il faudrait faire. Tout le monde sait que les, trois points sur lesquels le Niger a été noté vraiment d'une manière très faible, tout le monde sait que c'est une réalité. Aujourd'hui, le service de soins, l'accès à, la santé, elle est équitable. Elle n'est pas équitable, elle n'est pas aussi de qualité. Quand on voit le revenu des Nigériens, est-ce qu'aujourd'hui, le revenu du Niger, malgré que les gens pensaient que non, il y a eu une force de salaire, ça va influer le, le revenu du Nigérien, ça n'a rien fait, au contraire. À part ça, l'éducation, ça ne marche pas. Donc, il y a tous ces problèmes. C'est des réalités. Alors aujourd'hui, ce qu'il a lieu de faire, c'est de trouver aujourd'hui les moyens pour que nous puissions nous corriger et faire en sorte, si d'autres pays ont arrivé, c'est ce que toujours j'ai dit, ce sont des humains comme nous. Rufai Dandoua, euh, dans, dans, euh, les calculs de l'IDH, euh, le secteur de l'éducation est important ainsi que l'emploi. Comment se fait-il que le Niger est derrière des pays en guerre où les enfants ne vont pas à l'école et aller travailler euh, représente un très gros risque pour eux. Vous savez, moi je pense que c'est, ce sujet, c'est, un débat d'intellectuel. Hein. Et là où je ne comprends pas le Nigérien, c'est que quelque part, quand on dit que euh, la croissance économique est de 6-8%, les gens disent que non, ce n'est pas la croissance qu'on va manger, ce n'est pas la croissance qu'on va boire. Et quelque part, quand on dit qu'on est dernier, et on a fait tout un tas, on a fait tout un débat, et, et, vous voyez qu'il y, y, a trop de récupération politique, alors que quelque part, quand on dit qu'il y a la croissance, et on, ne, on, ne, fait pas ça de 6-8%, alors que c'est ça qu'on veut. C'est trop, trop, trop, technique. Moi, ce qui me cœur, c'est que le gouvernement n'arrive pas à expliquer cela. Ils n'ont pas encore de techniciens. Chaque fois qu'on on fait venir quelqu'un sur les plateaux de télévision, il tutibent, il tâtonne, ils ne sait même pas comment expliquer. Le gouvernement nigérien a toujours manqué de stratégie pour communiquer et essayer de... Et le président l'avait dit, si, si, si, si, je peux le reporter dans un message à la nation pour dire qu'on a tellement investi que les gens n'arrivent pas à euh, à, expliquer comment on a fait. Si, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est un, un, sujet de technicien. Vous partez dans les villages, vous verrez que ça ne va pas. Et moi, qu'on dise, c'est vrai quand on dit qu'on est premier et par patriotisme, on est content. Mais qu'on dise qu'on est dernier ou premier, est-ce que ça va changer les conditions de vie des gens Je ne pense pas. Aujourd'hui, un Nigérien, par exemple, Garé, où il vit peut-être plus qu'un qu'un Américain, moi peut-être que je vis plus que certains Français c'est pas ça qu'il faut. Tout le monde sait que l'éducation, ça ne marche pas. Ça, on le sait. Quand vous partez au village, à Niamey, ça va. Quand vous prenez ce débat-là, c'est un débat d'abord sur les réseaux sociaux. Quand vous partez dans un village reculé de, de, Niamey, personne ne sait ce quoi l'IDH. Ce que les gens veulent, c'est juste manger d'abord, se soigner. Se soigner. Voilà, manger, se soigner. L'école, pour la plupart des gens au village, ils s'en foutent. Mais moi, il y a un faux débat pour lequel je suis contre qu'on dise qu'il ne faut pas eh, procréer, qu'il ne faut pas accoucher. Là, je vais vous surprendre. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'on limite les naissances. Non ou qu'on dise que non parce que est, on est quoi 18 millions ou 20 millions alors que la Chine est, la Chine est 1 milliard 3 dans 20 ans ou dans 15 ans, l'Inde va dépasser la Chine pour être 1 eh, milliard et quelques. Et cette démographie va faire en sorte que l'Inde va dépasser des pays comme l'Allemagne, des pays comme eh, eh, la France, pour être peut-être la troisième puissance économique. Gary Amadou, rapidement. 15 euh, secondes, rapidement. ce que je dis, ce n'est pas la même chose. Vous savez, quand le, le FMI était venu ici, ils ont dit qu'il y aurait une croissance économique de 5,2%, une des croissances les plus fortes au niveau de la planète, 5,2%. Mais ils disent, attention, mais cette croissance-là peut être annihilée par le taux de démographie galopant. Mais parce que pourquoi Mais parce que nous, on n'a pas les moyens, c'est pas la même chose. Soit on fait quelque chose, ou bien bon, on, s'en fout de l'IDH, donc on dit au plus de que nous on veut pas être classé. Et puis bon, non mais attends, je dire voilà. Voilà, voilà, on va, on on, va, avancer, on va avancer. Terminons par euh, du football au Niger. Rappelons qu'après euh, sa lourde défaite face au pharaon d'Égypte, les joueurs du MENA ont exprimé leur ras-le-bol sur une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. De retour au Bercail, ils se sont excusés après une réunion avec euh, les responsables de la foot et le ministre des tutelles. Euh, chez les moins de 17 ans, du 2 au 15 septembre, c'est un rappel, euh, s'est déroulé à Niamey le tournoi qualificatif de football des moins de 17 ans de l'UFOA, zone B de la Coupe d'Afrique prévue en Tanzanie l'année prochaine. Le MENA cadet du Niger s'est classé troisième derrière le Ghana deuxième et le Nigeria premier. Selon Lawali Garba, vice-président du comité, du, comité des compétitions à la Fédération nigérienne de football, trois aspects ont, manqué au cadet nigérien. On l'écoutant. Ces jeunes ont prouvé qu'ils ont du cœur. En trois semaines de préparation, ils ont gravi ces jeux pour se placer sur le podium. Du point de vue technique, euh, ce qui a manqué, c'est d'abord euh, le manque de cohésion. C'est des jeunes, ils ignorent que le football, c'est la solidarité. C'est des liens qui relient les 11 joueurs sur le terrain. Et l'individualisme ne peut pas primer sur le collectif. Le deuxième aspect, c'est leur première apparition dans un grand tournoi d'une telle envergure. Donc, ils ont peur de mal faire. Donc, cette peur aussi les tenaillait. Si vous avez vu le match, plus ils finissaient une rencontre, plus ils gagnaient de la confiance. Le troisième aspect qui les a manqué lors des deux premières rencontres, c'est ce qu'ils ont fait contre la Côte d'Ivoire, marquer des buts. Ils ont eu cette euh, envie de faire euh, plus. Ils ont à deux reprises poussé le gardien ivoirien à aller chercher la balle au fond de ses filets. Ils n'ont pas démérité. Rufai Dandoua, Comment analysez-vous ces deux sujets qui font du bruit dans le foot nigérien Premièrement, je vais passer par les seniors. Parce qu'on commence par les grands. Oh je crois Rapidement. j'étais l'un des, moi, je fais partie des gens les premiers à avoir vu la vidéo parce que au moment où il faisait la vidéo, on a appelé un ami qui m'a déjà fait signe pour me dire qu'il y a une vidéo qui va sortir. Et je l'ai eu presque 30 minutes après qu'elle est sortie. Et dès que je l'ai vue, avant même de, l'écouter en intégralité, j'ai dit c'est inopportun, c'est idiot et c'est bête de faire cette vidéo. Vous ne pouvez pas, après avoir perdu 6-0 à l'extérieur, au lieu de faire profil bas, de rentrer la queue, et la queue entre les pattes comme on dit. Non, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous, vous trouvez Non, il faut noyer le poisson. Il faut dire sortir euh, à l'extérieur. Pour, l'extérieur du pays, vous faites une vidéo sur les réseaux sociaux pour parler de, que vous mangez des haricots alors que c'est faux. Que, quelqu'un disait que moi je suis venu de mon pays, je n'ai même pas de slip. Quelqu'un disait je n'ai même pas de tapette. Vous voyez l'insulte qu'ils font au drapeau qu'ils sont censés eh, défendre. J'ai et après, j'ai fait un post quand j'ai écouté l'intégralité de, la vidéo. Les gens m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Mais c'est notre euh, métier, on l'assume, on l'accepte. Mais quelque part, cette vidéo ne devrait pas avoir lieu. Et j'ai dit dans le poste que j'ai fait, il faut situer les responsabilités. Moi, si j'étais une autorité, les caïds du MENA, on allait les sanctionner. pour, les... juniors, pour les juniors. Ah. peut-être ne plus les appeler. Maintenant, mhm. si et il faut aussi maintenant. Revenons à nos comme, le, président de la FNF a dit, tout est clair, il faut auditer maintenant. Ah. Et aux autorités nigériennes de savoir aussi injecter des fonds. Parce que 450 millions ou 500 millions pour 30 fédérations. C'est peu. Non, c'est même quelque part. Euh, c'est insulter le sport aujourd'hui qui est le plus grand ambassadeur d'un pays devant et même la diplomatie. Pour revenir maintenant sur les cadets, et moi, je pense que c'est que euh, euh, le DT dit, c'est manquer d'intelligence, c'est insulter l'intelligence des Nigériens. Quand on veut un seul, un seul pays, même si vous êtes 100, si vous êtes deuxième, troisième, vous n'avez rien fait. Surtout, qui plus est, vous jouez à domicile. Le MENA a joué combien de matchs Ils ont joué premier match 0-0, deuxième match 0-0, ils ont battu la Côte pas gagné un but. Ils ont battu la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils sont qualifiés in, une euh, comme on dit, en demi-finale. Le, succès serait de se qualifier surtout à domicile. Même si vous êtes deuxième ou troisième, je ne pense pas que vous avez réussi. Gary Amadou, votre avis sur le comportement euh, de ces joueurs euh, qui défendent les couleurs nationales, mais aussi sur la gestion de ce secteur par les dirigeants, puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu rapidement, en, une, minute. Vous avez bien fait de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, en une minute, euh, rapidement. moi, je ne veux pas jeter la pierre aux joueurs. La question, <coughs> est-ce que les joueurs de l'équipe nationale sont dans de bonnes conditions ou pas La vidéo, ça, ce n'est que vraiment l'étincelle qui nous permet de débattre sur le sujet. Mais ils ne sont pas bien. Et ils sont et tellement, je vous dis, l'autorité a compris tout à l'heure, il y a une information capitale, le ministre des Sports a fait une communication qui est sur les réseaux sociaux où il dit que sur instruction du président de la République, des directives ont été données pour que les primes des matchs et les primes de sélection soient entièrement payées. Mais ça veut dire qu'ils ont. Ça, c'est une nouvelle information. C'est une nouvelle information. Mais ça veut dire qu'ils ont eu raison de, de donner ce signal. Je vous ai dit, notre football est un football misérable. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Non, je, peux vous, vais vous expliquer une chose. On ne peut pas comprendre qu'un joueur de l'équipe nationale soit dans des conditions aussi misérables. C'est-à-dire, on ne, si on ne peut pas. Si on ne peut pas gérer. s'en va de goût. il faut le. Issa Madougou. Voilà, je Si on ne peut pas gérer le sport. Ok, ok, ok. Je pense que c'est l'hypocrisie politique de sortir pour. S'il te plaît, Pour dire que. Gare, le prix sera entièrement payé des équipes toutes les fédérations du Niger, toutes les fédérations voyagent sans aucun franc, s'il te plaît, sans aucun franc du ministère. Ils partent, ils font des résultats. Récemment, le volet a amené une coupe du Burkina. Personne n'a entendu. Le judo. Le judo, euh, le karaté, le taekwondo, tout le monde part. Il n'y a qu'un football on entend parler parce que eux, eh, ils ont plus la bouche que n'importe qui. Et, eh, et, eh, c'est eux qui parlent. Regardez, allez-y. Allez-y. c'est eux qui ah, parlent. 30 secondes. Et c'est eux qui n'amènent pas de résultats. Rufai, laissez-le parler. Non, il n'amène pas de résultats parce que notre football, on n'a pas de vision. Et pourquoi je le dis Parce que c'est laissez-le parler. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le président de la République soit obligé de donner des instructions. Pourquoi C'est pourquoi j'ai dit soit on donne assez de moyens au ministère des Sports, mhm. Ou bien, si on, ne peut pas, si on ne peut pas, on laisse tomber le sport et puis on va qu'à d'autres occupations. point. Voilà, voilà. Regardez les ébus. Les ébus qui faisaient notre fierté, ils ont été laminés en Côte d'Ivoire. Un, tournoi qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes, nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangu. Merci à nos invités. Garé Amadou du quotidien La Nation. Issa Madougou, journaliste à la radio, télévision en Ténéré et Rufai Dandoua, journaliste sportif. Merci aussi à tous euh, les auditeurs euh, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec euh, Maman Ada pour le forum à Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma. Merci, au revoir.